Euh, buntu bu ubbeeku. <laughs> mais malheureusement loolu amul. gis nga ne bon man mi bima fi amé ciow euh, bañu ñu euh à part quelques musiciens yu def déplacement. ñëw seet si ma mais bu ñu amoon syndicat bu mak kon xeyna tam li ñu yéné euh, di jak pour yalla may ko taw génn ko ci natt bi mu nekk.

Morgan, gën problème mais ce serait vraiment normal que tous les musiciens euh, déjà bu ci musiciens musicien amati problème dans l'avenir vraiment

affaire bi da demagul fenn deug la kenn xamul du deug kenn xamul comme mu loxol yoon nañu baye ba xam fan la yef yi fété d'abord même bu dul papa tan yi ray bi bari na viol yi na ci Sénégal ban message nga ci mëna joxé en tant que porteur de voix. wa lolou mom jaxal nañu lol lol lol lol parce que man xawma nak nag mëna timé jigen diko ray et puis tellement man je comprends pas ba dafa mel ni

Nous war a Sénégal c'est impossible. Quelle solution nga peut-être que nous avons ñu ko de mu pour bu mënul nous rétablir la peine de mort ku rey ñu rey la. VIPinfo.net VIPinfo.net VIPinfo.net Votre nouveau portail pour découvrir toute l'actualité VIP partout dans le monde. En politique, économique, culture, santé, sport, religion, faits divers, musique, people. Confiez vos reportages et événements à VIPinfo.net, le number one des grands événements. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store et rejoignez-nous sur Facebook en mettant juste VIP Info et YouTube VIP TV. Pour vos pubs, à plus nous. Plus besoin d'avoir des soucis sur l'actualité qui se passe all around the world. Votre site généraliste est enfin arrivé. Ici, l'actualité est VIP.